département de Diourbel ci kaw loolu dañ ko ci sante ndax am nañ la nga xamné vraiment gëj nañ ko am lool lool lool muy bénéficier nañ 4 km de conduite assainissement eau pluviale deux stations de pompage eau pluviale benn stations de pompage eau usée à la cité ouvrière ma la ciy sant bu baax ci achèvement bi ndax soulager nga toute une population ak 4 euh, bu ànd ak 4 kilomètres de conduite de refoulement euh, monsieur le ministre am 26 km de conduite assainissement eau usée deux stations de pompage deux stations d'épuration avec deux stations de boue de vidange recevant les eaux de force de 635 familles euh, raccordées aux eaux usées mais de la ñaan encore nga yokkat euh, raccordement maillot et baax monsieur le ministre ci forage yi dañ ciy que bu baax son excellence ndax soulagé générale le département de Diourbel muy

la nouveau forage bi nga xam ne vraiment pare ngeen pour def ko aussi dans la commune de Ngoye waaw monsieur le ministre dafa am ñu bëgg ñu soxla ay château d'eau muy la commune de Ndolo Ndindeen Ndiaye Jakayel Touba Mbayar waaw monsieur le ministre di sant bu baax PUDC bi nga xam ne le forage de Mbap bi nga xam ne dañ ko dañ ko euh, suspendre woon depuis le premier PUDC Cheikh Diop nee na ma incha allahu rabbi le forage de Mbap sera ouvert. Euh, monsieur le ministre euh, Dignao, qui euh, j'aimerais vous, entretenir de l'assainissement de la commune de Durbel. Avant de vous soumettre les doléances des populations, permettez-moi de vous transmettre le vif remerciement à l'endroit du président de la République. notamment pour l'utilité démontrée des stations de pompage de Rukubuseu, de Ngolembit, ainsi que les canalisations de Ngolembit. Euh, toutefois, Monsieur le ministre, les populations des quartiers HLM, route de Bambay, de Kernokangi, ainsi que de Kercher vivent des situations difficiles à cause des inondations. Euh, monsieur, le ministre, au HLM, au route de Bambay, il n'y a, aucun... Euh, y a un problème euh, d'évacuation des eaux qui se posent. Il y a aussi, monsieur le ministre, euh, euh, oui, il faudrait aussi euh, environ un kilomètre de canalisation afin d'évacuer les eaux vers le, déversoir naturel de Kamboussouf. Au quartier Kercher, il faudra réhabiliter le, bassin de rétention qui se trouve. Donc, monsieur le ministre, enfin, la commune de Jourbel à un déversoir naturel qu'on appelle Cambousouf. Seulement, il n'est pas aménagé ni entretenu. Nous, population de Yurbel, souhaitons qu'il soit aménagé. Ainsi, on pourrait même y pratiquer le maraîchage, euh, de même que la pisciculture. Euh, toutefois, ces doléances des populations ont été prises en compte par le rapport de la mission d'information parlementaire. Euh, par, conséquent, comme l'a inscrit M. le Président de la République il faudra mm, l'exploiter et faire bénéficier des d'infrastructures de qualité.